saison ren c'est ma meilleure saison depuis que ma nekk après même euh, ma est arrivé vingt c'est mon club le club euh, ce pays équipe nationale c'est pas pareil donc après qui coach bi mooy décidé acte système avec acte euh, ak ban le pour manager le système bon après c'est le coach euh, décidé waa ci ñaari match ñu jëm euh, commencer commencé ci Bénin après, mon homme est qualifié même pas mais après, c'est pas fini encore, vous Donc, euh, nous avons de pour Diarra gagner. Donc, pour euh, rester en tête encore, même euh, Bénin, vous faites qu'ils sont obligés pour gagner, nous devons pas pour faire le match, quoi. Après, match Brésil avec le Sénégal, un match vous, important, là, même pour des matchs amicaux. Donc, defe naa looloo ñuy manqué des fois match amical yu comme lu ko côté waxee ñuy amee yeneen club yeneen euh, pays yi tamit di jéem a jouer ñoom jéem a euh, suñu doole ci ñoom pour euh, coupe du monde yi ak yooyu tamit da ciy baax. contre yeneen match yi tamit comme match qualification du mën du match qualification Nous dañuy préparer wu dem jeu comme euh, voilà pas comme match amical parce que c'est c'est Brésil après une dernière fois match amical perte match vie Sénégalais yi lan la donc euh, on est là pour gagner donc euh, on n'est pas là pour c'est pas encore les vacances donc c'est après les vacances. comme nous ma ko le club avec équipe nationale de système bu ce club di kii da ngeen koy travailler longtemps ak euh, sa coach équipe nationale compétition yi boo dee xool ay dix jours lay durée donc euh, coach yi bu mooy décider système bu mu bëgg ak jour ban jour la méngool donc euh, après bu fekkee ni man méngoo mag système boobu moom day indi jour boo xam ne moom méngoog système boobu donc non moom mooy xool ku mu gën a méngoo rek après du man maay décider coach mooy décider non méngoog nag ñëpp après du man maay décider même bu méngoog man tamit on beaucoup du benn attaquant doo ko fi nekk am na yeneen attaquant on est quatre ou cinq donc ku nekk mën naa jouer. donc lu waxee rek.

Donc, euh, même pour les 1 point ou 3, pourquoi pas 3 points. Donc, euh, on va tout faire pour jouer le match correctement. oui on peut, dire ça. C'est pas facile de jouer euh, dans un club qui joue le maintien et marquer plus de 20 buts en Ligue 1. Même si j'ai déjà marqué 26 buts en Ligue 2, c'est pas facile. Donc, après, j'avais un coach avant j'étais pas trop à l'aise avec. Après, on a changé de coach que j'ai connu à Metz qui me connaît, qui connaît mes capacités et tout, donc euh, je le connais, ça fait deux ans, trois ans. Il m'a redonné confiance, on a parlé, on se parle presque tout le temps, donc euh, après nous, on savait très bien si on si on gagne pas les matchs, on va descendre. Après, on s'est mobilisé, on, a tout fait, mais même si j'ai marqué les 20 buts, il n'y y avait pas que moi, il y avait mes coéquipiers qui étaient à côté, qui me poussaient aussi, le coach, tout le monde, donc euh,